Yo, wish your boy Yelzio from Jamadongla. Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là. Le 24, je suis à Lamine Gay. Le 27, Collège Sacré-Cœur. Yeah. Le 3, LP à Et le 4 mai, à Rufisque, lycée Abdoulaye Sadi. Nous allons sur ma page Instagram, uh-huh. Elzo mm Jamdong, pour voir toutes les news, genre, tout ce qui. Tout, tout va être. Euh, diffuser là-bas, Inch'Allah. School Tour, il y a, y a aussi un côté un peu euh, social, mm -hmm. parce que nous voulons inciter les boys, nous sommes à fond, ci écologie, bi, mhm. environnement, ou alors nous accompagner pour cette settle, pour les gens tabac, sa toilettes, affaire. Donc, nous avons un genre concours pour nous organiser avec l'école. Ben, euh, dañuy amé ñëw ben chorégraphe on va je en parler bo xamantene avant de jouer day wan guy, chorégraphe chorégraphie bi flash mob bi. Mhm. on appelé ça le flash mob. Mhm. Et école bi dañ koy def public bi ñu filmer ko après chaque concert dañ koy poster léegi école bi ëpp like ëpp ay commentaires affaire yooyu day gagné un million que 1 million nga mhm. c'est en rapport avec euh, yi quoi. et je rappelle que ont aussi euh, ma invité Ina parce que grâce à toi euh, il y a eu le message c'est vrai moi c'est ça surtout à ça que j'ai vu. Euh, les femmes en prison au que mm-hmm. Liberté 6. Mm-hmm. Et le projet là est vraiment bien. Les femmes en prison, mm-hmm. ça touche vraiment. Et toi, tu es vraiment impliqué socialement. Parce que quand je parlais des, des, filles et tout, tout ce que tu as écrit dans le son, c'est exactement, ce qu'ils vivent. Comment tu l'as écrit en fait Ouais, bah, c'est un truc qui m'a Qui m'a toujours euh, marqué. parce que boy boy ni sa di di sa di am ku nekk ci ci bunt bi noonu loolu musuma ko euh, digérer ko musuma musuma nekk à l'aise di dugg sama gaale te man Sandaga laa màggee tu vois mm-hmm. donc euh, musuma nekk à l'aise di saa yu may ñibbi dinaa romb benn taalibe wala benn faxman wala benn dara te damay damay rus mm-hmm. rus soit ma yor sama sac jóge école sol samay dàll wala nii nii rek ngay ñibbi xalaat ne que kii amul école nekkul di dem école comme yow du fanaan ci lal comme yow du fanaan sous un toit loolu dafa di laal

donc ñooñu ñooy dem di wut moyen de survie ci mbedd bi donc di jéem a jaay drogue wala di jéem a agressé wala affaire yooyu mais c' est pas de leur faute c' est la société euh, nit fi nga ko mën a jàppale du di ko sarax wala di ñëw chaque jour chaque fin du mois di ko jox xaalis c' est jàppale ko wan ko moom it muy am salaire comme yow mii nii comme ça du amati pour di dépendre ci yow quoi donc mooy bu ma yërëm di ma jox jën jàngal ma napp euh, géeju kusum bi may wax ci ginnaaw ñu dañ doon dem foofu di fubali temps booy dañ doon football dañ madame, man dam doon yàgg football ak ay taalibe yàgg naa bokk lek ak ay taalibe affaire yu tout affaire prison bi nga doon wax tamit c'est la même chose ñooñu ñi nek fofu nonu lolu jombul kenn euh, ci société bi lañ bokk ñu leen exclure am sachant que ñu bëri ñi fa nek c'est des innocents mm. ñu bëri ñi fa nek erreur judiciaire mo leen fa dougalé mm. donc dal lolu mën na dal ku nek mm-hmm. euh, donc dès que j'ai vu Ina parler de ça mané c'est une occasion euh, peut porteur de voix bu motiver pour que mais en tout cas fa am bu bu ko fa amul courage ne leen yàlla leen yàlla parce que voilà est-ce que Instagram ou Elzo <laughs> Elzo il y a deux jours il a mis des photos de lui. Ah. avec tous les boys <laughs> Nyongo, vous êtes un riff. T'as voulu riffer. Non, le plaignolet. <laughs> Il les affiche. Et maintenant, comme d'habitude, vous postez dans la. Souvent, je commande. Hein. <laughs> Non, mais là, moi, j'ai vu ça mener non riff, bah, roule. Mais moi, qu'est-ce que tu dis

avec Deep tu euh, ci donne que job jokk ak Sely Rabikan ci laa njëkk rencontré ay l'entrepreneur et cetera te c'est avec les mêmes personnes que je travaille donc nous, ça montre qu'on a commencé en même temps on avait la même vision la même passion te ba léegi ñu partagé et l'eau, ça n'a pas de prix quoi. voilà pour que vous bëgg am samay actualité samay news xam la nec, Abonnez-vous à la chaîne YouTube vibre Radio peace.